xam ne loolu ñu ko ñëpp ñaan mu mu bàyyi grève de la fin bi parce que gis naa ci ay vaar yu ñu wane woon que bi ko ay soxna yu bokk ci parti am bëggoon a def grève de la faim def leen ko aaye woon ne leen bokkul ci gëm-gëmam moo tax it ma yaakaar ne loolu moo gën parce que mmh. euh, nag euh, li politique moom ak dem kaso dafa xaw a jege nag nañu waxante dëgg te dans mmh. l'histoire politique du Sénégal gis nañ fi ba tey ay leader politique ay leader politique yu dem kaso Euh, yéenewuñu ko kenn nag waaye tamit il faut que ñu assumer également que boo demee kaso euh, on est dans un état de de de, droit. Euh, say avocat danañ continuer le combat judiciaire buñ ko waree bàyyi mu bàyyi ko mu dellu si ci langue politique bi ñu continuer ak moom. D'accord. Alors, euh, peut-être euh, après, parce que euh, Amadouba vient de nous rejoindre sur le plateau, Dina wax comment va le leader Ousmane Sonko. mais Omar, nous ngi peut-être yow alerté que Yewwi tassna on ne peut plus compter sur cette coalition Thaïlande, nous nga par rapport à cela. tu vu venir On parce que ce serait important mais d'accord mais d'abord je vous donne raison par rapport rapport la situation bi nga ni mhm. taxé de tous les noms genre par rapport à une position au début mm. mais aujourd'hui vous avez raison. Merci pour la reconnaissance. Mais là aussi, c'est vice-versa pour tout le monde. La grandeur que vous avez, la grandeur que vous avez, pour pas pardonner à certains, que cette grandeur aussi n'a ñeneen ñi parce que vous n'avez war na À mën a jàng. Mhm. ak ku vous jóge nag. waaye d'une manière générale. Bougan, par exemple grandeur de mu am ba démb mu tay mu amat cette même grandeur de défendre ak Yewwi koku ñu ko fi am ñu ko fi def bëriwul donc ça c'est très reconnaissant. Mm-hmm. même le PDS biñ kay commencé tek dañu teel def communiquer pour dire que ñu Yewwi mais man tey nee na dama bëgg xam les motifs. Mm-hmm. te koku amru moo ñu ko mëna wax cest dit dire raison yi tax tay divorce bi am diggante Yewwi.

Oui, les deux principaux raisons. mais mais mais ñoom ci une charte aujourd'hui nous avons dit que euh, euh, du am compromis ah, la compromission. à qui le président de la république Macky compromission. peut-être nous à à qui le président de la république donc nous le souhaitons, ba aujourd'hui euh, peut-être est-ce que ça ne motive pas cette décision. non non non non non. Hmm. non c'est pas ça non non non qui compromis Ça c'est-à-dire nous mhm. dañu def élection législative élection locale def élection législative ñoom ñëpp ku ci tous les leaders da yeewi ku ne waxoon nga ne ne léegi nag charte bi la ñu waxante woon ku ne respecté la ko mooy tey dem nañ ànd nañ élection locale gañ yàlla may ñu autant de mairie dem nañ élection législative ñu am autant de autant de députés donc élection présidentielle yi na ku nekk dem waxuñu woon loolu si qui a été le premier à déclarer sa candidature c'est Sonko ñom ñëpp ñu nangul ko ko te c'est normal. oui parce que xam nañu léegi jeex na léegi nag ku ne mbaa ngi dëpp élection présidentielle na ku nekk nak xam ne ñuy bëgg a dem nekk candidat nañ nekk candidat ñi bëggul nekk candidat bu fekkee ni gëm nañ ne dañu war def alliance ak ku nekk ku nekk ci biir Yewwi té nekk candidat tu es libre lolou ñom ñëpp waxon nañ ko mais il a fallu aujourd'hui que li moo leen départage c'est un dialogue mm-hmm. et durant le dialogue ce qui a été dit est clair. Ni nee nañ duñu dem ils ont raison de ne pas partir Ni ne ñun dañuy dem ni wax ne dañuy dem ne li ñuy wax mooy ñun bëgg nañ bokk élection <coughs> te pour ñu bokk élection la meilleure la meilleure voie mhm. pour bokk ci élection yi mooy d'aller participer au dialogue oui je pense que loolu waruñu mën a indi fissure au sein de Yewwi c'est ce que je pense ku nekk waroon nga dem en gentleman accepter la position de l'autre ñoo def ko ñii tey demuñu mais nous dem nañ ni dem tey la demul revendication yi ñu et si biir revendication c'était que Khalifa Sall et Karim Wade participent aux élections mhm. aujourd'hui ils vont participer sans qu'il y ait combat ni rien du tout mhm. ils ont participé au dialogue aujourd'hui les gens sont prêts à ce qu'ils participent aux élections donc nous, ñëpp à leur niveau waroon nañ d'accord ci li nga xamante ne tey génn na ci nga ni dialogue bi mooy ñun gis nañ ne il fallait ñu xeex pour que Karim Wade qui a été une revendication Khalifa Sall il faut le reconnaître chaque jour chaque fois bu ñuy def dañ naan seen point Khalifa Sall ak Karim Wade dañu war a bokk élection waaye léegi comme yàlla indi na leen voix bi simple si à travers le dialogue jusqu'à ce que Khalifa Sall ak Karim Wade gisuma woon tey les raisons de cette fissure entre Yewwi et une partie une partie l'autre partie de Yewwi à, savoir taxaw maintenant il ne faut pas en vouloir à, l'autre. C'est-à-dire aujourd'hui, ce que Bougan avait vécu, quand le IEU a été mis en place, c'est le cas de Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz qui a combattu, c'est un homme engagé, n'est-ce pas C'est un homme courageux, quand même, il faut le reconnaître à Barthélémy Diaz. le il faut il faut même pas se poser dissidence problème rek mën entre une coalition, ça existe partout en politique. Mais quand à de vouloir revoir que battre les médias c'est un dealer, battre les c'est un trait, ça c'est des mots de trop. Parce que les gars, maintenant, les am Dakar, est-ce que, bon, après, il faut un moi. Oui, mais, oui, mais. Ça dit, les am Dakar, est-ce que Dakar réclame par rapport à l'installation du nouveau bureau, je veux savoir est-ce que réellement Dakar rek la am wala ça existe dans les autres collectivités locales. Parce que les indi problème dans leur communiqué ils l'ont bien indiqué. Ils l'ont bien indiqué Moi, taxaw dañu wor. Mhm. wor par rapport à quoi Vous assemblée nationale ñom ñep waroon nañ and <coughs> voté c'est-à-dire même si demain, si vous xuloog nit sax bu revendication si je pense que il fallait aller jusqu'au bout de la logique On tout faire pour que Khalifa ak Karim ñoom ñi à ce que les deux soient candidats non seulement ils n'ont pas voté mais def le recours

avec les deux députés, les deux mais qui depuis, et tant d'autres. Donc, à ce niveau,